Trentenaire, mère de famille, Halimoto Abdulrazak est titulaire d'une licence en comptabilité et gestion des entreprises et d'un master en contrôle et comptabilité audit. Malgré ses diplômes en poche, la jeune maman évolue aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai eu à travailler avec euh, une ONG américaine pendant un an. Avant même euh, la fin du projet, déjà je me voyais d'entreprendre mon propre compte. J'ai ouvert un atelier de couture depuis 2021. Quand j'ai informé ma maman, elle me dit qu'est-ce que tu en connais dans la couture pour te lancer, tout ce dont j'ai besoin. Je veux juste vos bénédictions. J'avais commencé à travailler chez moi-même, petit à petit. On a loué un local. Si aujourd'hui Halimoto a eu la force de créer son propre atelier de couture, c'est parce qu'elle a le soutien inconditionnel de sa mère, Tonkwano Uteni Diapois elle m'avait approché avec l'idée d'ouvrir un atelier de couture. Euh, j'ai appuyé sa demande. Elle se débrouille avec ses ouvriers et ses machines et ça marche. Elle est toujours euh, en activité pour pouvoir satisfaire ses clients. je la trouve vraiment forte parce qu'elle ne s'est jamais découragée et chaque fois, elle cherche à aller de l'avant. Halima, la jeune couturière, arrive à subvenir à ses besoins grâce aux revenus de son entreprise. Oui, ça va, Alhamdulillah, j'arrive à joindre les deux bouts avec, puisque quand tu sais que tu n'as pas de revenus, autre que ça, tu ne peux pas compter sur qui que ce soit. Je suis une maman qui élève seule mes trois enfants. Je me bats pour ces enfants. Je me dis que je ne dois pas lâcher. Aujourd'hui, abdul Razak a quatre employés et un stagiaire. Grâce à sa ponctualité pour ses commandes, son atelier ne désemplit pas de clientèle.